que euh, Pape Alenia, du maître euh, euh, je vous remercie en français ou en wolof. comme vous voulez en français d'abord. la langue coloniale d'accord donc c'est avec beaucoup de d'affliction je devrais dire que nous avons vécu le retour en prison de monsieur Pape Alenia parce que le juge euh, d'instruction, suivant à cela les réquisitions du procureur de la République, a décidé donc de révoquer la mesure de contrôle judiciaire et en conséquence, il a placé M. Nian sous mandat de dépôt. Qu'est-ce qu'on lui reproche Évidemment, quand on parle de révocation du contrôle judiciaire, euh, le procureur de la République a estimé que M. Pape avait violé les conditions de ce contrôle judiciaire. Bon, je dois dire d'abord que en plus de trois décennies de pratique, c'est bien la toute première fois personnellement que j'assiste à une telle chose, la révocation d'un contrôle judiciaire. Mais je pense également que le BAB, le BABA de la procédure et tel que si le juge d'instruction, qui est le maître de la procédure, prend une telle mesure, soit pour euh, durcir un contrôle judiciaire, soit pour l'alléger, c'est une mesure qui lui est propre, qui, entre dans le cadre de son impérium, c'est-à-dire de sa souveraineté. Le procureur a beaucoup de pouvoir, notamment il peut requérir euh, l'ouverture d'une information et saisir à cet effet un juge d'instruction dans le cas précis de M. Pape puisque puisqu'il est question de diffusion de fausses nouvelles, le procureur de la République a le pouvoir qui résulte des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale de requérir le placement en détention. Et si l'inculpé demande sa mise en liberté provisoire, le procureur a le pouvoir de s'y opposer. Et dès qu'il s'oppose, la, la, demande devient irrecevable. Et du coup, le juge d'instruction a les mains liées. Ça, c'est pour la liberté. Maintenant, quand il s'agit du contrôle judiciaire, parce que nous, quand euh, il y a quelques jours, la demande a été faite pour Pape aller le, juge a accepté parce que le procureur lui a donné libre cours en ne s'opposant pas. Et le juge a mis en conséquence Pape aller en liberté provisoire le signale, le 14 décembre, aux conditions suivantes. D'abord, Pape Allais devait remettre son passeport une semaine jour pour jour, au plus tard après le 14, donc demain. Il n'a même pas eu le temps de le faire. Le pape Allais devait être interdit de quitter le territoire national jusqu'à l'intervention d'une décision de justice sur cette affaire. On interdisait à Pape Allé de communiquer sur cette affaire, notamment sur l'affaire que lui vaut son inculpation que ce soit euh, sur les réseaux classiques ou les réseaux sociaux modernes. Voilà, les conditions étaient à ce point claires que vraiment on ne saurait y insister. Et tout le monde a vu que Pape Allais s'est attaché scrupuleusement à respecter ces conditions. Et les deux communications qu'on lui reproche, l'une sur le lien de M. Mola Morgan, je crois, et l'autre sur un post Facebook qu'il a lui-même écrit, mais dans son euh, intervention au niveau du live de M. Mola Morgan, mais à plusieurs reprises, comme une rengaine s'est revenue, il dit je ne, je ne, parlerai pas du dossier. Ça, vraiment, on peut lui faire euh, euh, lui reconnaître cela. Et deuxièmement, dans le dossier, dans le poste qu'on lui reproche, il est fait état euh, du directeur général de la police nationale. Bon, à ce niveau, techniquement, comme cela ne fait pas partie du dossier, le procureur a le pouvoir que lui donne la loi. Ça, c'est l'article 171 du, Code de procédure pénale. Mais de saisir le, à nouveau le juge d'un nouveau réquisitoire pour lui dire de peut-être poursuivre sur le fait que le directeur de la police judiciaire est, attaqué. Mais, mais ça n'a absolument aucun rapport avec le fait pour le procureur de se lever. Euh, c'est un excès de pouvoir manifeste, c'est un abus de droit euh, c'est une voie de fait, pour qu'on ne peut pas interférer dans le cours de l'instruction. Et ça, le juge ne devait pas l'accepter. D'ailleurs, il y a eu un débat donc très long, très vigoureux sur cette question. Et d'accord parti, le juge a dit qu'effectivement, c'est une question à laquelle il serait bien que la Cour chambre d'accusation saisie puisse donner une réponse. à cet effet, nous allons, parce que nous étions là, maître Dembosire Bachili, maître Amoudousso et moi, à assister M. Nyan Dans une ambiance bonne enfant comme d'habitude, M. Nyan a été très courtois, le juge également. Et vraiment, il n'y a pas de problème. Je pense que sur le plan du droit, on pourra être départagé. Cela dit, euh, il ne faut pas dramatiser la situation, puisque Pape Alénian, en tant qu'inculpé, garde l'intégralité de ses droits et il bénéficie de la présomption d'innocence. Et surtout, à tout stade de la procédure, il peut demander la mise en liberté provisoire. Donc dès aujourd'hui, nous pouvons saisir le juge. Allons le faire aujourd'hui ou demain. Et si le juge euh, l'estime nécessaire, il peut assortir sa décision du contrôle judiciaire. Euh, soit dit en passant, moi depuis hier, je lui dis, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais rappelez-vous que les Sénégalais ont consenti un lourd sacrifice. Maintenant, nous, sommes, euh, nous disposons du bracelet électronique. Je pense que c'est le moment de l'appliquer, de l'utiliser avec M. Papalénian. On sait que sa santé est fragile. Euh, on sait qu'il a vécu des moments assez durs avec cette grève de la faim qu'il a observée, avec euh, toute la motivation nécessaire. Ça a fait les dégâts que ça a fait. Maintenant, vraiment, je pense que ce n'était vraiment pas opportun du tout de le placer en détention. Pourquoi je disais aujourd'hui, c'est un jour très triste par rapport à cette situation. Vous avez des informations concernant son détention, bien vous savez, quand les gens viennent comme ça, on peut dire pour la première fois, parce qu'ils viennent d'être placés sous mandat dépôt. Donc sa destination tout de suite c'est Rebus, mais disons que c'est un camp de transit. Nous avons bon espoir que de là il va être euh, euh, dirigé de nouveau à, au pénitencier de, de, de C'est à voir. bon le mot vous dire moi, wolof a bi ñu am qui les juges bi delloo Pape Alé kaso parce que procureur da moko laaj li ñu wax mesure euh, contrôle judiciaire bi mu jëlot mom daf leen ci wor donc respecté wul liñ ko tégot donc nañ ko delloo kaso évidemment metti nañu parce que d'abord kenn musul gis nit ki nga xamni le 14 bi passé moy fukki fan ak ñent lañ ko may liberté provisoire tay ji ñaar fukki fan le 20 ñu ne ko dellul kaso ñun personnellement ci li ñuy liggéey yëngu liggéey bi ñu yëngu nii mësuñu ko gis avocat yi ko gis de lu néew la euh, juge bi ci boppam sax maa ngi ko doon tooñ ni ko est-ce que yow lii mas ko gis mu ne a man mës naa mës ko gis benn yoon ndax dal na ma ak benn waay mais pour te dire lu raar la bon li ci metti mbir bi mooy juge bi defu ko ci coobare procureur moo ko ne def ko or procureur sañ-sañ amu ko pour toppatoo contrôle judiciaire nit. procureur ci dossier wu Pape Alé ñep xam nañu amna ci doole trop parce que article 139 bi géré bu code procédure pénale bu géré affaire de diffusion de fausses nouvelles muy article 255 code pénal biñu topé toppee Pape Alé article dafa né buñu topé nit ci lolu comme ni ñuy toppee nit ci délit ak crime yi nga xamni mo nek entre article 56 à 100 du code pénal à chaque fois procureur waxu tej mom moko mom manam buñu tej nit ki mom moy né tej leen bu ñu koy libéré boo ne libéré la nit ki su demandé liberté te procureur d'accord juge amul sañ-sañ sax xool demande boobu day ne demande irrecevable loolu dëgg la mais contrôle judiciaire dafa doon lu ñu may juge bi maanaam maa ngi lay bàyyi bàyyi ndëgëndiku mais danaa teg ci sa ndodd ay conditions yi nga xam ne il faut nga respecté ko maanaam ci kaw Pape Alé sa passeport na ko indi comme tey la 14 may nañ la nga dem fii léegi bés bi dellu si le 21 maanaam suba na nga indi sa passeport ñu téye ko. deuxième bi amoo sañ-sañ génn Sénégal frontières yi tant que décision de justice amul évidemment loolu suñ nga ko waxee mën na am boo bëggee génn nga ñaan permission juge bi mën na la may jox la sa passeport nga dem ñëwaat troisième bi mooy mbir bi ñuy atte bëgguma nga wax ci fenn lu ci jëm lu am relation ak dossier bi maanaam ci réseaux sociaux yi wala ci presse bi journaux télévision bul ci wax ab ale defe naa respecté na loolu bon condition contrôle judiciaire ñëpp koy respecté gis nañ fi ay kilifa yu mag yu nekk contrôle judiciaire ils font tout pour respecter ça léeg sax ñu wax day fekk ni ki leen tuumaal mu ngi wax maanaam loolu yoon may na la nga tontu parce que droit de la défense dafa am pour ñëpp mais donc cela dit ci kaw Pape Alé donc regretté nañu li nga xam ni procureur moo jël décision parce que yoonam ne wut procureur li ko naq di wax na ko nee na lien Pape euh, Pape Alé bu mu génnee wax na ci chaîne YouTube joxe na lien bi tel lien tel jour wax na waxul nag lu mu wax mais naa loolu dafa mel ni su waxee foofu rek euh, maanaam violé na condition yi pourtant euh, Pape Alé wax na euh, à plusieurs reprises du ma wax ci dossier bi mais pour wane li tàngal xolom ci am na ci droit expliqué na ni mbiru condition yi ñu ko jàppee maanaam muy dem di réparer oto di changer pneu ñu fekk ci mbedd bi jël ko metti na ko citoyen sénégalais waruñu ko traité noonu surtout police bi nga xam ñun ñoo leen di fay bu weer dee loolu condition d'arrestation bu jàngul droit sax xam nga loolu du dossier bi parce que juge bu la nee dossier mooy bi mal bi nga ñëwee bi ñu la arrêté ba nga jaar foofu yëpp ba ci man dañuy inculper le dossier bi nga xam ne laaj nañu ci question loolu mooy dossier bi ñu bul ci wax condition d'arrestation procureur jàpp ne loolu wax ci dossier bi la c'est faux mu waxul ci condition de son arrestation procureur wax na aussi euh, mbirum euh, directeur général police am na li ci Pape Alé bind ci post Facebook am te wax na ko aussi maanaam euh, tuddul turam mel na ni bu bàyyee sa njaboot yëpp ñu dem bitim réew yow mel na ni yéen xam ngeen li xew wala li nar a xew maanaam dëkk bi maanaam da ko nar a taal te bëggu leen seen njaboot bokk ci seen njaboot duñ ko fekkee su ko waxee euh, bu naqadee procureur procureur amul sañ-sañ ni juge bi delloo delloo ko kaso déedéet benn procureur amul sañ-sañ procureur am na sañ-sañ nag ci article cent soixante onze bindaat réquisitoire ci sa waa ji li ma wax na garaaw bi nga xam ni comme dafay atteindre morale des troupes maanaam takk der yi topp ci directeur police comme loolu naqadi dina leen ce qui à voir man loolu gisuma nag nit ku normal nan la loolu nag bu dee loolu nag moom procureur am na sañ-sañ def réquisitoire bu bees ko topp ko ci mbir mi juge bi topp wala bu jël ba beneen juge loolu mën na am mais Kanta wax na lu naka di ci jàpp ko di walaat ko ci mbaam bi loolu moom dafa doy waar moo tax am nañu lu ñu métti trop daañu ko yóbbu nag pour euh, chambre d'accusation incha allah nga xam ne mooy juge d'appel de toutes les ordonnances du juge d'instruction mën na am ñu jox ñu àtte am ale nag comme dañ ko inculpé rek waxuñu moo def lii moo def laa il est présumé innocent maanaam ba tey kenn waxul ñu ndax dañ ko condamné dañ ko kii donc fu mu nekk innocent la dafa nekk ci instruction yoon may na ko à tout moment à tout stade de l'instruction mu demander liberté provisoire donc euh, tey tey tey parce que xamaguñu adresse précise am ndax Rebeuss la wala Sébikotane mais dès demain incha allah daañu déposer demande de liberté provisoire bu bees que demande déposé woon te bés bi ñu ko déposé ci la procureur bi mu àggee ci moom ci la tontu ñu bàyyi ko donc mën na am loolu tam amaat mu nekk nag avertissement ci moom mu xam ni am na peut-être moom moment bi jot na peut-être mu noppi dañu wax mais tam nit ki nga ne koo tam doo wax xam ne comme on dit kuy waddoo làmmiñ boo boo raflee boo boo noppee dina raflee xam nga dafa xaw dagaar aussi te loolu dafa am liberté d'expression citoyen bu nekk am nga droit wax sa xalaat mais daal ñu jàpp ni euh, am nañu njàqare dem actrice ci loolu parce que liñ ko reproché amul juge bi ba noon na bañ su bañee tam mënoon nañ dem ba euh, bracelet sax di la moo tax ñëw prévoir ko Sénégal dépensé na milliards yu bëri pour bracelet électronique alal bi nga xam bu ñu ko dugaloon ci prison yi jënd ci ay matériels yu bees di liggéeyaat prison yi mën nañ sax am prison yu bees wala rénover prison yi changer régime alimentaire bi def détenu yi ci moom kii yu gën a baax bracelet dinañ ko def bracelet nag gisaguñu benn citoyen sénégalais c'était une bonne occasion pour un euh, contrôle judiciaire bu ñu révoqué après six jours je pense que ñu joxoon ko chance boobu Pape Alé bi mu génnee ci détention bi wax dëgg yàlla wér-gu-yaramam demeewul nu mu war a demee dem rek mu ngi woon en clinique dem defi ay analyse ay échographie dënn bi biir bi et cetera ku mel noonu parce que c'est pas judiciaire c'est même pas humain koy delloo prison quoi xam nga ni lu ne mën na jàll Pape Alé kooku xamul tam xam nga ni bañkat la nitu conviction la aussi euh, yàlla tere mais bu nekkaatee ci forme de lutte yu mel ni dafay dafay doy waar te Sénégal war nañu mën éviter loolu asalaam merci beaucoup